les auditeurs euh, et téléspectateurs euh, des 52 radios et des 7 euh, télévisions partenaires du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire du décryptage de l'actualité, le forum de la presse du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la fête euh, du 1er mai ou fête euh, du travail commémorant le 136e euh, anniversaire des tristes événements de Chicago qui a coïncidé cette année au Niger avec la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan de l'année 1443 de l'Égypte. En seconde position, nous parlerons de la visite euh, de travail au Niger euh, du secrétaire euh, général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, une visite de 48 heures. Pour finir, nous terminerons ce forum de la presse avec la célébration de l'édition 2022 de la Journée mondiale de liberté de presse célébrée cette année sous le thème Le journalisme sous l'emprise du numérique. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Elhaji Mohamedou Suleiman du journal en ligne Niger Inter, Ousseini Issa, journaliste indépendant, et Maïmoune Gado, journaliste indépendante également. À la modération de ce forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Nous ouvrons ce forum de la presse par la célébration de la fête du 1er mai ou fête du travail commémorant le 136e anniversaire des tristes événements de Chicago qui a coïncidé cette année au Niger avec le jour de la fête de l'Aïd Delphitre ou fête de Ramadan de l'année 1443 de l'Égypte. Cette fête du travail, faut-il le rappeler, commémore la journée de lutte menée il y a 136 ans par des syndicats de travailleurs américains pour euh, obtenir euh, une journée de 8 heures de travail, pas plus. Maïmoun Diado, quel intérêt le monde des travailleurs euh, nigériens accorde à cette journée commémorative du 1er mai appelée Fête du travail euh, voilà quel intérêt, euh, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, que c'est les événements de Chicago mhm. où ces syndicalistes, ces travailleurs ont demandé les 8 heures de travail, mhm. ont exigé seulement 8 heures de travail. Donc je pense que avec tous ces événements, c'est de porter, en tout cas c'est bien mhm. que les travailleurs continuent à célébrer ça. 136e édition cette année. Et vous avez vu comment est-ce que cette année, comme vous l'avez dit, ça a coïncidé au Niger avec euh, la fête de Ramadan. <laughs> Euh, on n'a pas, les syndicats n'ont pas, ou bien les centrales n'ont pas pu faire le grand défilé comme, dans la matinée, du, premier, à cause de la fête. Mhm. Mais euh, les centrales syndicales, l'intersyndicale des travailleurs, l'ITN, s'est retrouvée. qui compte quatre centrales syndicales Bien sein. Mhm. Euh, se sont retrouvés au niveau de l'Académie des arts pour, euh, en tout cas, délivrer mhm. leur message. Donc, euh, c'est pour vous dire que vraiment, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, c'est seulement le défilé qui n'a pas pu se faire. Mhm. Et les centrales syndicales, en tout cas l'intersyndicale, c'est visiblement rappeler les événements comme vous venez de rappeler. Mhm. Et ensuite, euh, l'intersyndicale également a mis l'accent sur ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, le terrorisme et tout, mhm. attirer l'attention donc du gouvernement par rapport à ça, mhm. euh, faire également en sorte que, euh, parce que cette fête aussi, ça fait plus de deux ans, avec l'avènement de la COVID-19, ça affaiblit beaucoup d'entreprises, beaucoup en tout cas se sont retrouvés au chômage et tout. Mhm. Maintenant, il faut attirer également l'attention de, l'État par rapport à tous ces, ces, ces, ces phénomènes. Mhm. Euh, le changement climatique aussi a été un peu soulevé. Et nous avons également les doléances qui ont été également rappelées dans ce discours pour que euh, les enseignants, de par les enseignants, les autres travailleurs, ne se mhm. euh, voient pas délaissés par, par, par, rapport donc à, ce discours. Mhm. En tout cas, les huit régions du pays, mhm. euh, les travailleurs ont fêté à leur manière. La fête a eu lieu, c'est le défilé qui n'a pas eu lieu. C'est le défilé seulement qui n'a pas eu lieu. Le mhm. cahier de doléances a été donné avec tout ce que ça comporte comme doléances et nous espérons que le ministre prendra acte et le gouvernement prendra acte donc de ces doléances qui ont été remises. Merci beaucoup, Maïmoune Gado, Elhaj Mohamedou Suleiman c'est vrai, les cahiers de doléances ont été donc transmis au gouvernement. C'était le samedi 30 avril 2022, euh, c'est-à-dire la veille du 1er mai. C'est d'ailleurs euh, l'une des particularités de la célébration de cette année. Cette euh, double cérémonie donc de remise des doléances, mais également de distinction par rapport euh, aux travailleurs sur l'ensemble du pays qui ont un grand dévouement dans le travail qu'ils accomplissent euh, au quotidien. Que doit-on retenir de cette double cérémonie qui a eu lieu le 30 avril, c'est-à-dire la veille de cette fête euh, du 1er mai Bon, quand même, on peut observer que euh, la, avec l'intervention de la fête euh, de l'aide à al effectivement, mm. euh, il y a un changement parce que, en tout cas, ces dernières années, on a comme l'impression la fête, la fête de travail, c'est d'abord le défilé. Mm. donc le défilé, a, manqué, on a comme un goût d'inachevé de, cette fête parce que c'est l'occasion pour les travailleurs de se défouler, sortir, montrer ce qu'ils font. Bon, bref, euh, en tout cas, au niveau de l'opinion publique, ce, défilé est très attendu. Il marque euh, vraiment euh, la, fête. Maintenant, par rapport, justement, j'ai vu quelqu'un qui a reçu son prix, très, très ému. Mmh. d'être reconnu de ce qu'il a fait, il n'estimait pas, en tout cas ça, a pris du temps. Euh, donc c'est une très bonne chose de distinguer, en tout cas de valoriser, euh, parce que c'est aussi cela dans notre société, imaginons ce que font les travailleurs euh, dans tous les secteurs, la santé, l'éducation, mm. à défaut de pouvoir les motiver avec des moyens, c'est souvent effectivement en les valorisant, avec quelques reconnaissances officielles, ça peut motiver, et ça peut d'abord euh, davantage les soulager, les motiver. On a reconnu que nous avons fait, mais aussi ça peut motiver euh, d'autres travailleurs vraiment à suivre euh, le bon exemple. Mm. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. La deuxième chose, je pense que moi, de mon point de vue, les travailleurs, c'est vrai, avec tout ce que l'on a cité comme défi, mais il y a toujours le problème essentiel qui demeure ici. Si euh, les initiateurs du premier ont demandé le, temps de travail, mhm. aujourd'hui, je pense que la question essentielle, et effectivement, les, centrales en, la posent, c'est la question du SMIC, c'est la question du salaire. Le salaire minimum. Est-ce que véritablement, le salaire du, plus grand nombre mhm est euh, vraiment euh, suffisant pour leur permettre vraiment de mener une vie euh, acceptable. Le SMIG qui est au Niger d'un peu plus de 30 000 francs. absolument. Je n'ai pas le montant exact. donc, il y a ce débat. Donc, il va falloir. Donc, j'ai vu justement les gens qui posent la, question de relever donc le, le, SMIC, mhm. mais de façon générale, en tout cas par secteur. Euh, considérer vraiment, euh, valoriser le salaire. Et c'est l'occasion vraiment d'aider, par exemple, par rapport au, à la nouvelle vision du président de la République, par exemple, de mm-hmm. son, programme. Par exemple, ailleurs, en tout cas, les secteurs comme euh, l'enseignement, la santé, les gens sont bien rémunérés par rapport non seulement au, au, risque mm-hmm. et au temps qu'ils donnent. Parce que en réalité, ces gens, quand vous essayez de voir, ils n'ont même pas le temps de faire d'autres activités. Quand tu es enseignant, tu dois être dans ta classe pendant des heures déterminées. Euh, bref, je pense qu'il faut considérer cet aspect. Maintenant, pour le reste, vraiment, je pense qu'il faut saluer le fait que, quand même, ces dernières années, mhm. les centrales, en tout cas, le monde du, travail organisé, c'est vrai, il y a un éclatement, il y a, beaucoup de syndicats, beaucoup de, centrales, mhm. mais quand même, avec euh, l'État, il y a comme une sorte vraiment euh, de bonne pratique. Il y a moins de grèves, il y a moins de conflits. Euh, je pense que c'est une très bonne chose qu'il faut capitaliser. Et je pense que euh, c'est ça effectivement qui permet au travail vraiment de poser euh, les vrais problèmes et avec l'État véritablement de, prendre en compte justement leur doléance. Et je pense que c'est dans la stabilité que effectivement les travailleurs sont en train d'acquérir vraiment beaucoup d'acquis. Et je pense que ce n'est pas rien par le passé, nous assistons en tout cas à des mouvements de grève où souvent même en réalité le salaire est remis en cause parce qu'avant c'était des remarques effectivement de paiement de salaire avec, avec des retards. Je pense qu'il faut observer cette, évolution où franchement on se rend compte que il y a moins de grèves, ça, ça, ça, ça, et ça doit se ressentir vraiment euh, dans la vie au quotidien de, de, de, travail, notamment le plus grand nombre de travailleurs. Mhm. Il faut donc euh, prendre en compte euh, les doléances contenues dans ces cahiers. Ah, absolument. Surtout quand, l'État, quand l'État, en mhm. estime euh, à a plus de moyens parce qu'avant mhm. que avant on n'avait pas du pétrole, avant on n'avait pas beaucoup de ressources minières. Mhm. Aujourd'hui, qu'on a effectivement un certain nombre euh, d'atouts, mhm. on pense que ça doit se ressentir dans la vie, en tout cas des travailleurs. Donc, euh, les gouvernants doivent considérer effectivement les richesses nationales, en tout cas quand l'État est riche. Il faut que cela puisse être partagé, qu'il y ait un peu de solidarité en tout cas, parce que tout simplement, Avec le monde on conçoit mal qu'aujourd'hui, par exemple, le vœu des Nigériens, euh, nous produisons du pétrole. On sait effectivement que le partenariat, en tout cas, avec, euh, avec les, les, autres, il faut d'abord payer l'investissement. Donc mais les Nigériens ont marre de sentir, en tout cas, au niveau de la pompe, au niveau des stations, qu'il y a une réduction. Euh, en tout cas, on consomme moins on paye moins, en tout cas pour le pétrole ou bien pour mhm. l'essence que par le passé, parce qu'aujourd'hui, on n'est qu'un producteur du pétrole. Merci beaucoup. Euh, Merci, euh, moi Suleiman. Il faut rappeler qu'à l'occasion justement de cette euh, célébration de la fête du travail édition 2022, le ministre du Travail, Dr Ibra Boukari, a invité tous les travailleurs à une prise de conscience collective afin d'œuvrer pour le développement du pays avant de réitérer l'engagement et la disponibilité du gouvernement à améliorer les conditions de vie et de travail de tous les travailleurs nigériens et à maintenir un dialogue constructif avec les partenaires sociaux ou CNSA, comment ou quel doivent être le rôle et la responsabilité de chaque acteur dans l'atteinte de ces objectifs. Michel, moi je pense que le problème du travail au Niger, hein, c'est un problème qu'on a de tout temps restassé. Ça mhm. Ça date pas d'aujourd'hui, on connaît un peu ce qu'est le problème dans le monde du travail n'est-ce pas Le ministre a dit bon, il faut que les fonctionnaires se ressaisissent. Il y a une baisse, comment dire, de rendement, si c'est mm. cela. Je l'ai un peu écouté. Mais c'est des choses qu'on peut régler hein, facilement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que la fonction publique devient de moins, de, moins, de plus en plus contre-performant mm. C'est lié tout simplement au fait que, du point de vue, comme avait dit, le, système de promotion, de, comme avait dit, d'avancement et tout et tout, on a politisé les choses. Mm-hmm quand vous êtes dans un, environnement, chacun se connaît. Quand on parachute quelqu'un, vous le connaissez, vous savez bien son niveau, ses capacités et tout et tout, mm. il devient votre chef. Et il vient déjà avec à l'esprit qu'il est là au nom de la politique. Mm. Alors, vous voulez quel résultats résultat Moi, je dis, il n'y a pas mille miracles pour amener les gens aujourd'hui à travailler dans ce pays. Il faut dépolitiser. L'administration, de façon. de manière générale, il faut mm-hmm. dépolitiser l'administration. C'est la compétence. Quand vous êtes compétent, voilà le poste, vous le méritez, vous mhm. présentez le profil qu'on vous nomme à ce poste-là. Mais on a abandonné cette formule-là. Quand vous, allez aussi bien dans l'administration par champ central que dans ces démembrements, vous allez voir des aberrations. Il y a des gens qui sont là une fois qu'on les enlève, parce que tout simplement, on a fouillé, on a constaté qu'il n'est pas du bord politique qui aux affaires. On les met de côté, on ne les donne même pas un bureau. Et plus personne ne le consulte. Mhm. Mais, même quand je veux travailler, quand on me met de côté, je veux travailler quoi Voilà un peu les difficultés. Et tout le monde les connaît. Les problèmes sont là, tout le monde les connaît. Mhm. Mais maintenant, comment solutionner Il revient à ceux qui sont aux affaires de faire en sorte que l'éthique là soit respectée. Mhm. Du point de vue de la nomination, du point de vue de tout. Mais tant qu'on va continuer, on va parachuter quelqu'un dans un secteur où il ne maîtrise rien. Ça veut dire qu'il faut mettre en avant le mérite. Le mérite, bien, évidemment. Mais en 2010, mhm. si je me rappelle, quand il y a eu la transition de Salou Jibo, il y a un certain nombre d'instruments qui ont été mis en place, notamment une ordonnance portant dépolitisation de l'administration, où on a montré un peu les profils, les fonctions techniques, les fonctions politiques. Mais aujourd'hui, tout ça on a mis de côté. Mhm. On s'en fout. Que ce soit, Il est essentiel que le poste soit jeté. Mhm. Même si c'est un poste technique, que vous soyez technique ou pas, si vous êtes du bord politique aux affaires, vous pouvez attiré à ce poste parce que c'est juste. Mhm. On ne peut pas construire comme ça. J'ai l'habitude, souvent, quand je cause avec le haut comme ça, à la modernisation, souvent on cause de ces choses-là. Mais je dis, il faut mettre fin à ça. Il faut faire comme en Occident. Mhm. Ce qui se passe en Occident, c'est que l'administration est apolitique. Mhm. L'administration est là pour tout le monde. Tant qu'on ne fait pas ça, où les gens considèrent que moi, je suis de tel bord, c'est mon parti qui est au pouvoir, c'est pour ça que je suis là, on ne s'en sort pas. Merci mm. beaucoup. Donc, mm. euh, en dehors de ce que Mohamed Suleiman a dit, qui concerne donc l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, vous vous insistez sur le fait qu'il faut dépolitiser également l'administration dans son ensemble pour mettre en avant le mérite, rien que ça. La compétence. La compétence. Merci beaucoup. Maïmoun Diado, par rapport toujours euh, à, cette célébration de la fête euh, du travail, il faut rappeler que les centrales syndicales non représentatives n'ont pas assisté à la traditionnelle remise du cahier des doléances au ministre de l'Emploi, le secrétaire général de l'Union démocratique des travailleurs du Niger, UDTN, interviewé par le studio Kalango, a dénoncé ce qu'il a appelé un parti pris de l'État. Qu'en dites-vous Oui, euh, les centrales syndicales non représentatives. Mhm de tout le temps, depuis les élections professionnelles, contestées mmh. Ce sont des centrales qui ont déjà contesté les élections professionnelles. Mmh. Euh, ils pensent que dans un pays, euh, on ne devrait pas faire en fait euh, la partie, on ne devrait pas en tout cas euh, donner la chance à d'autres centrales syndicales et ne pas donner la chance à d'autres mhm. centrales syndicales. Bien que Donc, eux, deux poids, deux mesures. moins représentative. pour, pour, elles, ces centrales syndicales non représentatives, c'est deux poids, de mesures que le gouvernement a fait. Mhm. en, mettant en place euh, euh, les élections professionnelles, c'est diviser les centrales syndicales et les travailleurs en même temps. Mhm. C'est des choses que elles n'ont jamais, en tout cas, consommées. Et bon, elles ont... C si elles ont décidé de ne pas remettre leur cahier de doléances, c'est parce que tout simplement, elles jugent qu'il y a déjà les centrales représentatives qui sont là, mhm. avec lesquelles l'État, en tout cas, discute directement. Mhm. Et par rapport donc euh, euh, aux problèmes des travailleurs. Mhm. Bon. bon, mais je pense qu'ils ont au moins euh, fait une déclaration Mhm. ces centrales non représentatives ont fait une déclaration. Tout en ne participant pas à la, cérémonie, de de remise de, cahier, de, doléances. ça, c'est un choix. Il y avait deux cahiers, le cahier de la CDTN et, le, cahier de la CDTN de l'intersyndicale de contient donc euh, quatre grandes euh, voilà. donc c'est pour vous dire que c'est un choix. Mhm. On ne peut pas les forcer aujourd'hui à être présentes au moment donc, euh, des cahiers de euh, la délivrance donc, de ces cahiers de doléances. Mm-hmm. Mais quand même, c'est des centrales syndicales et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces centrales syndicales aussi, parce que dans cinq ans, ces centrales syndicales peuvent être aussi plus des euh, euh, euh, oui, oui, plus représentatives. Merci beaucoup. Merci Passons à présent à la visite de 48 heures effectuée du 2 au 3 mai 2022 au Niger par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ONU, Antonio Guterres quels étaient les principaux objectifs de cette visite euh, du SIG de l'ONU, a Mohamedou Mohamedou euh, merci bien. Je dois vraiment, me de préciser, tu as posé la, question, euh, c'est important de le rappeler, le mm. chiffre exact du SMIG au Niger, mm. c'est 30 000 euros 47 euh, Un peu plus de 30 000, c'est ça exactement 30 000 euros 47 francs. Merci pour la 0,40 heures, 40 heures de travail par moi. mois. <laughs> Donc 30 000, 47 francs. On peut avoir une idée du niveau de vie des mm travailleurs, euh, en tout cas qui vivent avec euh, mhm. juste le SMIC. Merci, euh, merci pour la précision. Donc, mhm. en tout cas, je pense que cette visite suscite en tout cas euh, un intérêt parce que tout simplement, quand même, euh, c'est pas tous les pays africains qui ont mhm. le choix du Niger. Ces trois pays, le Sénégal, le Niger et le Nigeria, qu'il a choisi cette sortie. Et je pense que quelque part, euh, lui-même, il a dit, parmi les raisons de ce choix, il y a justement quelques, quelques atouts pour notre pays, à mhm. savoir notre système démocratique qui est quand même euh, qui fait un modèle dans la sous-région. Euh, il y a euh, justement aussi, selon à, l'entendre aussi, la stabilité. Mhm. la gestion de, la sécurité, il a parlé comparé avec les autres pays de la sous-région, par mhm. exemple du Sahel. Donc c'est une très bonne chose et de mon point de vue, et c'est pourquoi justement j'ai vu même au sein de l'opposition, il y a une certaine euh, distorsion, pour mm. ne pas de division, que quand une, une, activité de ce niveau se passe dans un pays, que l'opposition il faut mettre avant, en avant d'abord le pays. Mm-hmm. Il vient au Niger. Mm-hmm. Regardez l'opposition sénégalaise. C'est une opposition très populaire. La preuve, ils ont, gagné la capitale et d'autres grandes villes du Sénégal. Mm-hmm. Mais au Sénégal, quand il y a des activités qui, vraiment de l'État, l'opposition, elle est là. Mhm. Elle ne boycotte pas le protocole officiel. Mhm. Et n'empêche, ils font le travail d'opposition. Mhm. Mais je me rends compte qu'effectivement, euh, j'ai vu lorsque le chef de file d'opposition a participé, ça fait une sorte de, de, de bouquin. Mais je pense que c'est une activité très intéressante. C'est le Niger le c'est très intéressant. Mhm. Beaucoup de pays africains aimeraient que chez eux, ça n'a pas été le cas. Mhm. Et quand il est venu, moi, ce qui est très intéressant, c'est le plaidoyer mhm. mm, qu'il voudrait faire justement. Il a lancé justement un appel seulement à la communauté internationale. Avec, les officiels, mais il est allé à Wallam, et moi, ce mm, qui m'intéresse beaucoup, c'est par rapport maintenant à la situation des populations. Parce que Wallam, c'est un prototype, un exemple type, effectivement, de, de, localité éprouvée par les questions De, de, sécurité. Et il était face aux réfugiés, face aux déplacés. 42 000, un peu plus. Il, tient un discours, nous mhm. pensons que quand même c'est un décideur, et sa voix pourrait porter à sensibiliser justement sur le Niger. Parce que quand même aussi, euh, les projecteurs étaient sur le Niger, en tout cas, mhm. pour toucher du doigt la, la, la, la, réalité. Il a dit aussi, et malgré tout ce qui est dit, que l'armée nigérienne n'est pas équipée elle a besoin encore mhm. davantage d'être équipée. C'est vraiment des questions essentielles comme ça qui font que, que le tourisme ne fait pas de quartier, on ne, ne connaît pas qui est opposant, qui, qui, est du pouvoir. Donc, par conséquent, c'est des questions nationales qui méritent qu'on soit ensemble vraiment euh, auprès de tout le monde. Mhm. Euh, que, en fait, lorsque les opposants sont là aussi, c'est l'occasion de, parler avec eux. C'est aussi l'occasion de, de leur appréciation, leur proposition leur vision de la question Donc, mm-hmm. je pense que c'était vraiment une, une, bonne chose. Une très, très bonne chose. Mm-hmm. Et euh, ça, tout simplement, aussi, euh, j'ai vu le choix du président Issou mm-hmm. aussi pour animer un panel. Euh, il a été désigné. désigné par le SG de l'ONU. quoi qu'on peut reprocher au, président, c'est le président du Niger, l'ancien président du Niger qui a été désigné. Et quand il est là-bas, c'est aussi la nigérienne. Donc c'est le Niger qui est à l'honneur. Donc tout simplement, mhm. il faut une approche citoyenne, mhm. pas de ressentiment. Mais quand il est question du Niger, il faut pas de la part des choses. Euh, tous nos, anciens euh, diplomates, tous ceux qui ont occupé des postes importants, il y a des, facettes, il faut les présenter comme tout simplement des officiels. Mais maintenant, leur tard, ce qu'ils ont fait de mauvais pour le pays, ça aussi, nous sommes là, on a d'autres chronos pour les dénoncer. On vous a compris, vous saluez donc la présence de l'opposition qui a participé à un pan des activités absolument, lors de cette visite officielle. J'ai suivi la, la, réaction du SG de, de, Maman Animal par rapport à ça. On a invité le chef de file de l'opposition, qui une institution qui est connue, qui a été désignée, mhm. celui qui était venu. Donc, franchement, ce n'est pas, il n'y a pas de polémique autour de ça. Mhm. Donc, c'est un peu, moi, ce que je veux dire, vraiment, cette activité, ça a mis pendant une semaine, en tout cas, le Niger sur le fil de, en tout cas, de projecteurs. Mhm. Ça a permis vraiment de parler des vrais problèmes du, du, du, Niger. On a entendu le, les autorités devant justement ce, ce, ce visiteur. Donc, il est allé, en tout cas, donc, euh, sur, le, terrain concrètement. Ah, il, a vu, il a vu la, réalité. Donc, je pense que euh, c'est venu un moment où, franchement, euh, décisif parce que, avec cette actualité de, de, Barkhane et de trucs, et je l'ai entendu ce matin sur RFI, il dit qu'un pays ne peut pas être, sa sécurité ne peut pas être garantie par des forces étrangères seulement. Mhm. Autrement dit, ce qu'il a dit, c'est ça qui est pertinent, il faut donner les moyens à armer nos, forces de défense et de sécurité. C'est d'abord cela le, problème. Merci beaucoup. On l'a écouté. Selon lui, Antonio Guterres, donc la situation au Niger doit préoccuper tous les pays du monde puisque cette situation peut donc avoir des impacts au niveau d'autres pays. il, a expliqué qu'il faut donc euh, venir euh, au secours euh, du Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais également en termes de réponse humanitaire à la situation que nous vivons ce moment. Selon le communiqué de presse euh, issu de cette visite, euh, durant la visite, le secrétaire général a pu s'inquiéter de la situation humanitaire au Niger, caractérisée par une détérioration au plan humanitaire, euh, sécuritaire, ces dernières années. C'était également l'occasion pour le secrétaire général d'exprimer la solidarité des Nations Unies aux populations affectées par les crises et de réaffirmer le soutien du système des Nations Unies au gouvernement nigérien. Ousseinissa, quels sont les enjeux d'une telle visite dans ce contexte socio-politique et sécuritaire au Niger Déjà, je pense que vous avez cité ces enjeux-là moi, j'étais à Olam, mhm. dans le cadre de ce déplacement-là. D'abord, je commence par dire j'ai rarement vu un sujet des Nations Unies aussi détendu, mhm. aussi sans façon. Sans façon, je vais dire que le protocole, tout ça, il l'a mis de côté. Il allait, il a fait le tour des populations. Il dit Je suis venu parler à ces personnes-là qui souffrent, qui connaissent toutes les difficultés de ce monde-là, mhm. qui ont faim, qui ont eh, mais qui ne peut même pas dormir. Tout ça. Essentiellement, c'est trois choses. La question humanitaire. Quand il s'est rendu, c'est pour voir qu'est-ce qui se passe dans cette zone. Parce que certainement, il a eu 22 on lui remonte quand même les informations par rapport à l'humanitaire. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone Quand il est parti, il a vu, il a constaté. Il était mhm. d'abord au camp Alma où il a vu les militaires, il a discuté avec eux. Ensuite, il est revenu à l'école Medina, là où il y a un centre de regroupement scolaire, mhm. le premier centre de regroupement scolaire qui a été créé pour pouvoir euh, donner une chance aux enfants qui ont été déscolarisés de retourner à l'école. Ça, c'est quand même important. Le premier aspect. La deuxième aspect, parce que tout est plaidoyer Celui, Il a fait une véritable plaidoirie. Il a interpellé la communauté internationale. Il faut aider le Niger. Il faut aider le Niger parce que le Niger est dans des difficultés sur le plan alimentaire liées notamment, comment aux effets du changement climatique les inondations et tout et mhm. tout, il a développé. Est-ce qu'il faut s'attendre à des appuis multiformes Maintenant, euh, il a dit l'armée. L'armée nigérienne seule ne peut pas combattre parce que l'armée est sous-équipée, ce n'est pas une affaire de vaillance, c'est une affaire de moyens. Mhm. Selon lui, il faut renforcer, il faut renforcer et les il capacités la communauté. De bien sûr, il faut donner de l'argent, il faut donner des armes, mhm. il faut donner commander. Tout ce dont, qui est nécessaire pour que l'armée puisse être en mesure, il faut amener ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce discours-là. Mhm. Comme j'ai beaucoup aimé le discours quand il dit il faut venir investir au Niger, en tout cas dans le cadre humanitaire, parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui un peu partout dans le monde, mais le Niger, c'est une préoccupation mmh. sérieuse. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ou est-ce à dire que ça va inciter les partenaires euh, du Niger non, et, à, vite venir au secours Michel, quand même, c'est le SG des Nations Unies. -hmm. La plus grande organisation mondiale. mais qui fédère tous les pays au monde. Mhm. Quand même, qui viennent au Niger. Qui Il y a d'ailleurs euh, des agences qui, Niger. Oui, oui, toutes les agences agences onusiennes sont là. Nous avons et Et qui se déplacent mhm. pour aller pour lancer un appel. Quand mhm. il dit, par exemple, comment on appelle ça, mm. le plan de réponse, euh, c'est à hauteur de 9 seulement, 9% seulement. Mm-hmm. Il était scandalisé, il dit il faut que les gens se réveillent, la communauté internationale se réveille. Parce que même l'année dernière, on n'a pas pu atteindre le niveau qu'on voulait atteindre. une façon de dire, il faut vous secouer, il faut vous réveiller mhm. parce que le plan, ça va jusqu'au mois de novembre prochain. Mhm. Il faut bien que ceux qui ont l'intention de donner, ils donnent ce qu'ils ont à donner aujourd'hui. Mhm. Avant que, parce que le temps est en train de se couler, pour pouvoir assister, parce qu'il y a quelque chose. Les personnes qui seront en difficulté. Les, personnes le gouvernement, il faut dire qu'on aura plus de 4 millions de personnes qui seront dans une situation d'insécurité alimentaire. aiguë, sévère. Oui, tout à fait. Mhm. C'est pour ça. Et en plus, on tend vers la saison de pluie. Ces mhm. gens ont besoin de. la période, la période, euh, que mhm. le gouvernement a évoquée, c'est justement la période du juin, août, qui va être euh, une période un peu compliquée. Merci beaucoup. Nous devons lutter contre les causes profondes pauvreté, exclusion, impunité, insécurité alimentaire, crise climatique, qui exacerbe les tensions intercommunautaires et continue d'alimenter l'extrémisme violent et le terrorisme ici au Sahel. Mais Aujourd'hui, face à une situation qui évolue rapidement, force est de constater que la communauté internationale n'est pas à la hauteur. J'appelle tous les partenaires à veiller à ce que notre attention et notre engagement dans la région soient maintenus malgré les nouvelles crises qui frappent notre monde, a aussi déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Memundiado, quelle analyse par rapport à ces mots du chef de l'organisation onisienne Peut-on parler d'appel à une meilleure gouvernance oui, ça, il ne voulait pas dire euh, qu'il faut une bonne gouvernance. Mm-hmm. Donc, il, a fallu euh, qu'il essaie de décortiquer euh, pour que les gens sachent euh, mhm. de quoi il veut euh, réellement parler. Mhm. Dans un pays, s'il n'y a pas la bonne gouvernance aussi, ça tend à ce que nous sommes en train de voir. Mhm. Donc, il faut régulariser tout ceci, le système, les systèmes qui font en sorte qu'aujourd'hui, ces populations sont dans ce, ce, problème d'instabilité, je dirais, économique, d'instabilité alimentaire et tout. Donc, ça a lien avec également mhm. la bonne gouvernance. Mhm. Il faut améliorer la bonne gouvernance, il l'a dit. Mhm. Il, a parlé d'impunité. Il a parlé d'impunité, tout ceci, pauvreté, euh, tout exclusion. Ceci, ça, ça, rentre dans ce qu'on appelle la bonne climatique. Aujourd'hui, il y a l'injustice. Il y a des gens aujourd'hui au Niger là qui pensent qu'il y a l'injustice aussi, euh, qu'ils euh, n'ont pas en fait droit à l'équité au niveau donc de la justice. Il y a tout ceci, tous ces paramètres là. Donc il faut essayer euh, d'analyser ces paramètres-là, mhm. de, de, faire en sorte que tous les Nigériens se valent, mhm. d'essayer de, de, renouer avec la bonne gouvernance. Mhm. Et je me dis aussi, ce qui m'a aussi euh, tiqué, c'est euh, le fait qu'il ait parlé de la sincérité aujourd'hui de notre armée. Mhm. Notre armée n'a pas les moyens, donc il faut leur donner les moyens. Et c'est comme si, en fait, l'appel du président de la République de tout le temps, mhm. euh, le président de la République l'a cité, entendu. A, été entendu. Mhm. Donc c'est un appui, en fait, qui vient euh, renforcer ce que le président de la République a toujours dit lors de ses déplacements, lors de ses conférences, pour dire que l'État, l'armée nigérienne, ce n'est pas que l'armée nigérienne n'est pas capable, mais l'armée nigérienne n'a pas les moyens. Aujourd'hui, mhm. ce sont les moyens là qu'il faut mettre à la disposition de cette armée pour pouvoir combattre le terrorisme. Il faut donc espérer que, les partenaires euh, techniques et financiers mhm. puissent euh, euh, très rapidement répondre, à, cet appel. qu'ils Merci de beaucoup. Faire terminons le forum de la presse euh, de ce soir avec la célébration le mardi 3 mai dernier de l'édition 2022 de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui est placée cette année sous le thème Le journalisme sous l'emprise du numérique. Une journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993 qui vise à rappeler l'importance de la défense de la liberté de la presse dans le monde. Elage Mohamedou Suleiman, que signifie cette liberté de presse et quelle est son importance Vous savez très bien que le euh, monde démocratique, euh, aujourd'hui, euh, c'est une, une, réalité. la liberté d'expression, quoi qu'on dise, euh, est fondamental euh, dans tout ce que nous appelons bonne gouvernance, euh, qu'on le veuille ou non. C'est des critères de bonne gouvernance d'ailleurs. Donc mm-hmm. c'est universel. On pense que les pays, les sociétés sont bien gouvernés lorsqu'effectivement on permet aux citoyens de dire leur opinion, de faire des propositions, de mhm. en tout cas, qui y ait vraiment des pensées euh, vraiment libres. Elle permet donc euh, une participation et la liberté de la citoyenne. Presse, et la liberté de la presse, effectivement, constitue un moyen mhm. essentiel, en tout cas, euh, un, ancien président américain avait dit de façon un peu imagée, mm -hmm. avaient à choisir entre un, un gouvernement sans journaux euh, et des journaux sans gouvernement, il allait choisir euh, euh, donc la liberté de la presse. Mhm. C'est juste pour dire que c'est essentiel. Donc, dans notre contexte, effectivement, cette année, on a fêté donc cette. ce, 3 mai, donc, il y a une déclaration de la Maison de la Presse mhm. qui rappelle, en tout cas, et, euh, les acquis et les doléances, les problèmes en tout cas de la, de la presse nigérienne. Mmh. Euh, mais il faut saluer quand même euh, à la veille de cette, cette fête une décision en tout cas du, gouvernement, mmh. d'harmoniser la loi donc euh, sur la, sur, la, cybercriminalité, la loi de 2019, à la loi liberté de la presse de 2010. Qui fait que les délits d'un jeu de diffamation mhm. euh, ne peuvent plus amener un journaliste en prison. Mhm. Donc, et cela, euh, effectivement, constitue une avancée parce qu'aujourd'hui, en plus de journalistes, il y a des lanceurs d'alerte, en tout cas, mhm. tous ces gens qui contribuent de bonne foi à la bonne gouvernance, à dénoncer euh, le détournement des, des deniers publics, à dénoncer l'impunité. Donc, euh, c'est une très bonne chose. Un deuxième élément, euh, nous félicitons justement votre studio qui a quand même aussi reçu un prix donc, à mhm. l'international qui montre que chez nous aussi, il y a de bonnes pratiques. Mhm. Il y a des gens qui font de bonnes mhm. actions au niveau donc, de la presse nigérienne. C'est un modèle, en tout cas. Nous, nous savons que effectivement, vous faites un travail extraordinaire, en tout cas, ça a été reconnu, vous avez une accréditation, en tout mhm. cas. C'est la certification, euh, la certification du journalisme euh, ah, Trust ah, Initiative. Ah, absolument. Donc, je pense mhm. que cela veut dire quoi Il faudrait que donc, euh, nos confrères, en tout cas, puissent euh, de très près mhm. venir se ressourcer à, à, votre niveau. Mais je dois, je l'ai dit en réaction à, ce, prix, que ce qui est curieux, les journalistes de Kalangou, en majorité, c'est des journalistes qui ont travaillé dans d'autres médias mhm. nigériens. Mais qu'est-ce qui fait cette prouesse euh, Parce que tout simplement, ici, ils sont mieux rémunérés, ce qui me permet vraiment de dire que la, la, le problème de fond de la presse nigérienne, c'est vraiment la motivation. Quand vous payez aux journalistes 50 000, 70 000 francs, vous demandez de faire autre chose, pas du bon journalisme. Donc, en vérité, voilà la question essentielle. On a beau avoir des, lois euh, sur, la presse, euh, et c'est ce que je dis souvent moi, aux, partenaires qui nous font des ateliers à répétition. Non, la presse nigérienne a besoin des aides directes. Et aussi, le, la, la de la presse avait rappelé au CLC ce qu'ils ont fait, la façon de distribuer l'aide, en tout cas le fonds à la presse, vraiment, ce n'est pas normal. Mhm. Il va falloir qu'en tout cas, qui de droit puisse vraiment décider à revoir cette situation. Parce que tout simplement, et vous avez vu, même le rapport de la Cour de compte a dénoncé euh, mm. cette façon de distribuer le fonds à, la presse. Donc, euh, mm. vraiment, moi, c'est pour, pour dire qu'il y a des acquis euh, au niveau de, la, presse. il va falloir donc considérer mm-hmm. donc, ce que je viens de dire là. D'abord, et c'est pourquoi, théoriquement, il y a eu une signature, je crois, de la Convention euh, personnel à la convention collective. cela, je sais que, en partie, c'est les mm, patrons de presse, donc euh, les fondateurs des médias, en tout cas les propriétaires. Mm-hmm. Donc, c'est eux qui ont une, euh, une clé, en tout cas décisive. Ils ne sont pas prêts parce qu'ils posent comme condition euh, revoir la publicité, donc, donc la, voie de presse, en tout cas, comment l'accès à la, à la, publicité. Donc, euh, il faut accéder donc à leur, demandes, euh, à leur demande. Euh, mais aussi, encore une fois, je le dis, et au gouvernement, et au gouvernants, et aux partenaires techniques et financiers, mhm. la presse nigérienne, pour qu'elle soit une presse de qualité qui doit contribuer à la contre l'impunité, à la bonne gouvernance, elle a besoin des actes directs <laughs> pas des ateliers seulement. <laughs> merci beaucoup et merci pour euh, vos félicitations par rapport à cette euh, certification obtenue par Kalangu, qui est désormais, il faut le dire, euh, le premier média africain sous le label de Journalism Trust Initiative mis en place par Reporters sans frontières. C'est donc une initiative qui fait donc la promotion de la fiabilité de l'information. Nous poursuivons ce forum euh, de la presse du studio Kalangu à l'occasion de cette euh, édition 2022 de la Journée mondiale de la liberté de presse. Euh, Reporters sans frontières a dévoilé la 20e édition de son classement mondial sur l'état de la liberté de presse. Le Niger occupe la 59e place sur 180 pays du monde classés. Il conserve ainsi sa place euh, de 2020 en dépit d'une baisse encourageante euh, du nombre d'atteintes à la liberté de la presse, précise euh, ce rapport. Hussein quelle analyse vous suscite cette position du Niger dans le nouveau classement du RSF Il y a problème. on peut se féliciter quand même un peu comment dire, de cette initiative du gouvernement consistant à revoir un peu la loi portant cyber lutte contre la cybercriminalité mhm. pour pouvoir l'harmoniser quand même avec euh, l'ordonnance 2010, euh, euh, qu'on dit ordonnance portant des pénalisations qui supprime les peines privatives de liberté pour des, délits commis par voie de presse. Mhm. Parce qu'il y a toujours des sanctions, il y a des amendes, il y a mhm. des condamnations à verser des amendes et tout et tout. Mhm. Ça, c'est quand même une bonne chose. on, peut espérer que ça améliore le oui, mais bien évidemment, parce que vous savez, cette loi sur la cybercriminalité, là où elle est dangereuse à l'État, c'est que quand on veut te nuire, c'est facile. Mhm. Vous pouvez produire un article dans un journal, quelqu'un va aller prendre pour balancer sur le net et puis ça va circuler. Mhm. sur WhatsApp, voilà, sur, WhatsApp, sur mhm. n'importe quel réseau et tout. Et en cela, ça devient compliqué. Et de l'autre côté, les citoyens ne peuvent même plus s'exprimer parce que la Parce qu'on a vu des juges, justement, qui ont fait appliquer les dispositions de la loi sur la, cybercriminalité sans tenir compte euh, de l'ordonnance. la presse, mhm. ils quittent ce, cette ordonnance, on met de côté, on va loi sur la cybercriminalité. Mhm. Ça, c'est extrêmement dangereux. C'est en cela il faut féliciter le gouvernement mhm. pour cette initiative-là. Mais l'aspect le, plus important, j'oublie aussi de présenter vraiment mes vives salutations, félicitations à mhm. Kalongo, mhm. qui est quand même qui a reçu ce label-là, mhm. bien évidemment. Les conditions de travail et tout et tout, Alain Suleiman l'a dit. Bien évidemment, le travail, pour un travail honnête, il faut être véritablement dans les conditions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pression quelque part, il n'y a pas, comment vais-je dire, aller chercher de quoi bouillir la marmite, tout ça. Mhm. C'est des choses qui sont... Non, mais c'est des choses terre à terre, il faut le dire, terre à terre. Mhm. Tout ça, c'est des choses, c'est bien, c'est quand même, ça doit pouvoir servir de modèle. Mais pour que ça puisse servir de modèle, il y a véritablement lieu à ce que non seulement l'État revoie un peu le fond dans la presse, parce mhm. que c'est pratiquement insignifiant. Aujourd'hui, les <laughs> médias qui sont là, du, privé notamment, c'est non seulement c'est insignifiant, mais les conditions même, quand le fonds est là, les conditions, les, quand les gens qui sont là disent c'est eux qui vont décider de, gérer ça à la place des mm. bénéficiaires, ça c'est un problème. Déjà que c'est insuffisant. Ça, mm. c'est un véritable Il faut donc améliorer les conditions de vie il faut, et de travail créer des les journalistes. Il faut créer les Merci, on vous a bien Il faut créer les conditions pour que les médias soient viables. Mm-hmm. Les conditions pour que les médias soient viables, c'est Est-ce votre conviction, c'est, Il faut que la publicité et les médias privés puissent accéder mm. aussi à la publicité. L'État doit aider les médias. on doit créer les conditions pour que la publicité puisse, la même chose que les publicités vont dans les médias publics, mm-hmm. de cette même manière que les médias publics ou privés aussi euh, puissent bénéficier bénéficier de la publicité. alors, mais quand il n'y a pas ça, mhm. quand le gars il le dé par la queue pour sortir sur le journal, mhm. quand le gars il le dé par la queue à la fin du mois pour régler l'électricité, mhm. en quoi pense, peut-on penser qu'il va se soucier véritablement de... Merci beaucoup. Vous convenez par rapport à tout ce que Ousseinissa soutient, notamment sur la question des conditions de vie et de travail des euh, journalistes. Euh, comment contribuer à renforcer cette liberté de la presse au en Niger tout cas, si on, veut, si on veut se départir de 59e position ou 57e position... Sur 180 pays. Sur 180 pays, il mhm. faut qu'on amène améliore les conditions de travail mhm. euh, et surtout de vie également de ces hommes de médias. Mhm. Euh, L'État doit accompagner nécessairement ces entreprises de presse. Mhm. Moi, je pense que le fonds d'aide à la presse, il faut rehausser l'enveloppe. Il faut que toutes ces entreprises, et euh, ces entreprises de presse puissent en bénéficier. Il faut que le journaliste aussi sache qu'il doit être euh, un journaliste professionnel qui a toujours à côté de lui l'éthique et la déontologie dans tout ce mhm. qu'il va faire. Il n'est pas permis. C'est pas parce que cette loi a été révisée que ça va vous donner la peine d'aller sur les réseaux sociaux et faire ce que vous voulez. Mhm. La diffamation et tout. Non, je suis contre ça. La responsabilité, ils doivent, les, et les journalistes doivent être des responsables. Mhm. Des responsables en tout cas, pour donner un très bon modèle et pour pouvoir accompagner cette loi qui a été révisée. Merci beaucoup. Nous avons d'ailleurs une charte des journalistes euh, professionnels à respecter. Donc euh, la responsabilité des journalistes est interpellée. Nous remercions nos invités. Nous avons d'abord Haji Mohamedou Suleiman du journal en ligne euh, Niger Inter, Oussé Nissa, journaliste indépendant, et Maïmouna Diado, journaliste euh, indépendante euh, également à la modération de ce forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Mustafa Yuba et Séné Saka. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous et au revoir.